Noël, c'est cette fête de réconciliation entre Dieu et l'homme. Étant donné que l'homme, il a péché, et le péché l'a séparé de Dieu. Cette naissance de Jésus-Christ, c'est le symbole de la paix. C'est la réconciliation entre Dieu et l'homme. Toutes les fois que nous fêtons Noël, nous nous souvenons, nous nous rappelons de ce que Dieu a fait pour nous, de ce don gratuit de Jésus-Christ que Dieu nous a fait. Il a fait au monde entier. C'est un peu ça l'essence de Noël. Comme à toute fête, on a besoin de se préparer, non seulement du point de vue spirituel, physique, social, moral. En tout cas, euh, les préparatifs, ça se passe très bien. Pour ce qui est des activités, il y a le culte dominical. Le 24, dans la nuit, on a un programme à l'église. Le 25 aussi, on a un programme. Il y a un programme spécifique. Notre église a organisé cette visite euh, au niveau de la prison de Niamey